le forum du studio le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum 18h15 à Niamey. Madame, Messieurs, bonsoir. Bienvenue au rendez-vous hebdomadaire, le forum de la presse du Kalangou. L'actualité de la semaine a été marquée par le quatrième championnat de lutte traditionnelle appelé Sabre National avec pour la toute, la toute première fois des lutteurs de la même équipe en demi-finale et finale. L'actualité, c'est aussi le message à la nation du président de la République, Issoufou Mahamadou, à l'occasion du nouvel an 2019. Autre fait, ce sont les victoires annoncées des forces du Niger contre les terroristes, notamment dans le lit du lac Tchad. Pour analyser cette actualité, j'ai le plaisir de recevoir Hassan Boukar de la radio alternative. Hassan Boukar, bonsoir. Bonsoir. Boukara Sedikali, journaliste et analyste politique. Euh, Boukar Sedikali, bonsoir. Bonsoir. Et Garé Amadou du quotidien La Nation. Garé Amadou, bonsoir. Bonsoir. Au micro, Mokhtar Hamadou. Commençons par euh, le sport. Kadri Abdoudi Isaka Isaka, c'est le nom du nouveau roi des arènes au Niger. Il a été euh, sacré jeudi champion national 2019 à l'issue de la finale de la, 40, e édition du sabre national qu'il a opposé à son coéquipier Noura Hassan Dedosso fait inédit depuis 1975 à la création de ce championnat. C'est la première fois qu'on retrouve quatre lutteurs de la même écurie occuper les quatre premières places. Isaka Isaka devient ainsi pour la troisième fois champion national après ses, sacres successifs de 2015 et 2016. Il a aussi remporté en avril 2018 le Grand Prix du président de la République. Gary Amadou, comment euh, aviez-vous vécu l'événement la finale et la demi-finale Oui, franchement, euh, quand j'ai appris que Dosso a quatre lutteurs euh, qui sont invaincus et que tous les autres lutteurs sont tombés, j'ai dit bravo à la région de Dosso. Bravo à la région de Dosso parce que ça veut dire que aujourd'hui les pôles de la lutte sont en train de s'inverser. Avant, on savait que les grandes régions de, lutte, ce sont Tawa, Zender, Maradi. Aujourd'hui, la donnée est en train de changer. Vous vous rendez compte Isaac, Isaac n'a perdu le sabre que en 2017. Et il l'a récupéré en 2018. Et donc, et on se rend compte que il y a une particularité importante au niveau de ce, de, ce quatuor de Dosso, c'est que tous les quatre lutteurs viennent de la région de, la, du département de Gaïa. Et pourquoi Ça a une explication. En réalité, à Gaïa, pendant toute l'année, on fait la lutte. Toute l'année. Alors que dans les autres régions traditionnelles où on connaît la lutte, c'est-à-dire que euh, Zender, euh, Tawa, Maradi. Les gens ont relâché, les gens ont non, les gens relâchent et les gens partent en exode. Et c'est après qu'ils reviennent pour faire la lutte. En Côte d'Ivoire, ah, au Nigeria. Oui. Alors que Gaïa, on fait la lutte. Après le championnat, là, on fait la lutte pendant toute l'année jusqu'au prochain championnat. Et donc les gens sont en forme. Comme vous voyez, par exemple, Isaac Isaka, dès qu'il y a une pause, même pendant qu'il lutte, s'il y a une pause, il passe tout son temps en train de courir. Il est en forme. Il est en forme. Aujourd'hui, je vous dis, la région de Dosso, avec ces quatre lutteurs invaincus là, est devenue la région phare de la lutte, avec laquelle il faut compter. Trois champions, euh, trois, fois le titre de champion, avec une seule interruption au niveau de 2017, ça veut dire que vraiment, je dis qu'avec les prochaines années, les de la lutte, c'est Zender, enfin c'est Dosso, Nyame et peut-être ce qu'on souhaite. Et même mon rêve, cette année moi, je vous dire, efforts. Moi, vous savez ce que je veux vous dire. Mon rêve, c'est qu'un jour, Difa puisse remporter le sabre. Je vous jure. Moi, j'ai toujours souhaité que DIFA remporte le sable. Et j'espère que l'année prochaine, peut-être que quelqu'un de la région du DIFA va prendre le sable. Parce que j'en ai marre que ça soit toujours les mêmes. J'en ai marre. C'est comme en football. J'en ai marre que le FC Barcelone soit toujours en tête, toujours euh, qui bat tout le monde. Non, non. J'en ai marre que ça soit toujours. Moi, j'aimerais bien que la région de DIFA, pour une fois, puisse remporter le sabre. Gary Amadou, euh, que pensez-vous des réformes apportées dans le règlement de la lutte ah cette année Ça, vraiment, il faut tirer le chapeau au, ministre euh, des Sports et au comité qu'il a mis en place, qui a vraiment travaillé d'arrache-pied pour faire en sorte qu'on puisse avoir un règlement cette fois-ci fiable. Vous avez vu maintenant, c'est-à-dire que si vous faites 5 euh, minutes de combat, on vous donne seulement une seule fois 5 minutes. Si vous, n'arrivez pas à vous terrasser, vous êtes tous tombés. C'est-à-dire on ne va plus traîner les gens comme on a constaté par le passé, où le combat finissait même la nuit. Et donc, et je pense que les sanctions qui ont été infligées aux, lutteurs qui ont eu un mauvais comportement pendant ce, ces sanctions-là sont légitimes. je pense que c'est ça qui doit être, faire en sorte que lors des prochains championnats, la discipline, le respect du principe de l'unité nationale et le respect même de la lutte soient préservés. Hassan Boukar, dans son discours de clôture de cette 40e édition du Sabre national, le ministre des Sports a déclaré, je cite, Nous allons poursuivre les réformes du Code en tirant les leçons de cette édition. Qu'est-ce que cela sous-entend je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire justement dans le domaine de, de la lutte, notamment en termes de réformes. Nous sommes à la 40e édition. C'est un sport qu'il faut développer. Pour nous, ça passe avant le football. En tout cas, je pense que pour une bonne partie Sur des il faut développer la législation du sport, en particulier pour la lutte traditionnelle. Il faut qu'il y ait des règlements qui sont connus par les acteurs. Lorsque les règlements ne sont pas connus, vous avez l'impression qu'on vous applique une règle inconnue. Lorsqu'on fait les règlements, il faut les faire connaître à la fois par les lutteurs qui sont les premiers concernés, par les chefs de délégation, les ligues, par l'opinion de façon générale, il faut que ces règles soient bien connues. À la 40e édition, je pense que on devait euh, bien maîtriser ce domaine-là, moderniser aussi, euh, si on doit faire des réformes à mon avis. Il est grand temps que les privés aussi puissent organiser des compétitions, comme on le voit dans d'autres pays. Il est grand temps que ça devienne un vrai business, au-delà de la dimension sportive, que ça puisse mobiliser des ressources, que ça puisse faire vivre les lutteurs. Là, j'ai cru comprendre que le champion au-delà du sable, là, selon l'estimation de certains médias, entre 10 et 14 millions qu'il a, qu'il gagne. Je pense que c'est bien, ça l'encourage. Euh, il faut bien que les autres aussi qui luttent puissent évidemment vivre de ce sport-là, comme euh, d'autres vivent du football, comme d'autres vivent du basket. Donc, à mon avis, c'est bien de faire des réformes. Il faut vraiment les faire euh, avec tous les acteurs concernés il faut que ce soit des, des réformes qui puissent permettre au sport, au, football d'aller de l'avant. Euh, parce que là, Gary l'a évoqué un peu. Il y a quand même, on voit quelques situations désagréables euh, euh, qui renvoient à des questions de discipline, qui renvoient à des questions qui laissent croire qu'un un, un lutteur peut décider par lui-même, par exemple, de ne pas combattre un autre, de ne pas lutter, de tomber, de donner la victoire à quelqu'un à lieu et place des arbitres. Vous faites allusion au combat truqué, détecté voilà, le combats et tout ça. Et on a vu les, les, les, les réactions, Les, sanctions, mais aussi les réactions des, des, lutteurs et tout ça. Ça montre quelque part euh, c'est quelque chose de sensible. Hein. Euh, l'engouement qu'il y a autour de la lutte fait qu'une décision mal comprise peut créer des dégâts. Je pense qu'on l'a frôlé déjà à Zander, je pense une fois à Niamey aussi, avec euh, certains, certains combats. Donc, à mon avis, il faut qu'il y ait des règles assez claires, développer la législation, mais surtout le faire connaître par l'opinion, parce que, contrairement, euh, par exemple, à, certaines questions publiques, des questions de gouvernance, les gens s'intéressent à la lutte et donc ils veulent comprendre. Lorsqu'on dit il y a un litige autour d'un combat, puis après on ressort pour dire non, c'est un tel qui a la victoire, tout le monde veut comprendre est-ce que les règles sont assez claires Si les règles ne sont pas claires, les contestations peuvent entraîner, ça peut dégénérer, surtout dans des, choses qui concernent la masse. À mon avis, il faut vraiment travailler la réglementation. Il faut qu'elle soit claire et bien connue de tout le monde. Euh, Boukara Sedikali, quelle est globalement votre analyse à l'issue de ce championnat Bon, euh, moi je pense que si on doit parler de la lutte traditionnelle, euh, il faut surtout se référer à l'histoire de la lutte traditionnelle. D'abord, euh, la lutte traditionnelle en tant que sport euh, vise à développer d'abord l'individu en tant que tel, c'est-à-dire sur le plan physiologique, mais aussi la lutte traditionnelle présente aussi deux dimensions qui sont très bien connues sur le terrain. D'abord, c'est une discipline de résistance qui s'organise assez souvent à l'issue par exemple, des grandes récoltes, c'est-à-dire que dans, surtout dans les régions vivrières, les régions de, vraiment de production agricole, euh, les gens organisent la lutte traditionnelle pour vraiment se réjouir, pour vraiment en tout cas euh, exprimer leur satisfaction. Et il y a aussi le fait que euh, la lutte traditionnelle met en valeur l'individu même dans sa dimension, c'est-à-dire un peu sociale. Vous savez, les vrais lutteurs qui sont connus avant pour qui même les chanteurs dédient certaines chansons, euh, sont vénérés, ils sont respectés, ils sont vraiment chuchotés dans les villages, dans, les régions. Euh, là, euh, ce sont des dimensions vraiment, en tout cas, qu'il faut toujours garder en filigrane quand vous voulez véritablement gérer ou développer le foot, pardon, la lutte traditionnelle. Malheureusement... Vous voulez dire qu'au début, ce n'était pas à cause de l'argent euh, Non, pas du tout. Ce n'est pas un but lucratif. C'est tout simplement euh, pour vraiment, en tout cas, euh, manifester sa reconnaissance vis-à-vis non seulement, c'est-à-dire du bon Dieu qui a vraiment favorisé, vraiment, en tout cas, la, la production, mais aussi vis-à-vis de la société, c'est-à-dire créer vraiment les conditions pour que les gens, vraiment, en tout cas, soient chacun content. vous dans les villages, ça s'organise de village en village. Vous savez, c'est-à-dire, j'ai vu dans la région de Maradou où j'ai vraiment, en tout cas, servi, c'est dans les villages que les gens organisent et dans les quartiers aussi. Vous. Et tout à l'heure, quand Gary avait parlé justement, dans l'histoire de la lutte traditionnelle, il faut toujours se référer à la cartographie de la lutte traditionnelle. La lutte traditionnelle a une cartographie, n'oubliez jamais cela. Vous, euh, quand Difa n'arrive pas à décrocher le sabre, quand aujourd'hui Agadez a du mal à s'imposer, ce n'est pas pour rien. La lutte traditionnelle même, c'est une lutte, c'est une discipline même par essence qui appartient aux zones sédentaires et surtout aux zones d'agriculture. Mais aujourd'hui, le Niger a eu la chance euh, d'avoir vraiment des régions homogènes où il n'y a pas qu'une seule ethnie, il n'y a pas qu'une seule communauté, où il n'y a pas qu'une seule activité. Il n'y a pas des régions exclusivement agricoles aujourd'hui ou exclusivement pastorales. Ce qui fait qu'aujourd'hui, toutes les régions sont appelées à participer à travers les communautés sédentaires qui sont vraiment, en tout cas, des communautés et qui, à leur sein, ont développé cette activité. Par exemple, dans la région de Difa, je connais que la communauté Boudouma organise couramment à l'issue des grandes pêches, vraiment en tout cas cette activité pour manifester vraiment en tout cas sa joie. Voyez-vous, quand vous prenez dans la région d'Agadez aujourd'hui, il est inconcevable pour un Touareg, un Toubou, un Peul ou un Arabe de lutter dans le rangs, Ça ne fait pas partie de leur culture. Ça, il faut l'admettre. Dans, dans, la cartographie historique vraiment des communautés nigériennes, il y a certaines communautés qui ont ça comme discipline, et ils l'organisent de façon courante, de façon régulière, et d'autres aujourd'hui qui sont en train de découvrir. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui certaines régions ont du mal à s'imposer, comme DIFA, mais le moment viendra puisqu'on est appelé quand même à s'intégrer davantage, et d'ailleurs c'est ça notre chance aujourd'hui au Niger, on est en train de tendre vers une intégration vraiment en tout cas, j'allais dire même euh, intégrale. Ouais vous il n'y a pas de communauté. Et mon vœu le plus cher aujourd'hui, c'est qu'on arrive à un stade où on dise que nous formons tous la même, une seule ethnie. Donc ça, c'est euh, un aspect. Le deuxième aspect, moi, ça, ça concerne surtout les réformes. Vous savez, euh, j'ai l'habitude de dire que quand on fait des réformes, tout n'est pas de faire des réformes. Il faut toujours coller, vraiment, en tout cas, à la, au but authentique, vraiment, de la lutte traditionnelle. Vous savez, la lutte, là, on l'appelle lutte traditionnelle. C'est pas comme le football. Le football n'a rien de traditionnel. Voyez-vous Et quand vous prenez par exemple la boxe ça n'a rien de traditionnel. Mais quand vous prenez la lutte traditionnelle, ça vient du terroir, ça vient du très fond de la société nigérienne et c'est une activité vraiment sportive qui est traditionnelle. Mais si vous voulez substituer des règles modernes, que vous prenez par exemple en Amérique, vous prenez par exemple en, Asie ou quelque part, comme le kickboxing, pour, tel que par exemple certaines disciplines sportives qui ressemblent à la lutte, ça ne marchera pas. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui on a des problèmes on a des problèmes. C'est pourquoi vraiment, moi, je pense que si vous me donnez la responsabilité aujourd'hui, par exemple, de contribuer, moi, j'allais proposer même de d'initialiser carrément tout ce qui a été fait, par exemple, euh, pour la lutte traditionnelle, pour revenir à la lutte traditionnelle d'avant. Au temps de Kunche, autant de Jori Amani, autant d'avant. On n'a jamais vu ce genre de, euh, des insuffisances. Ou des lutteurs, par exemple, à cause de la lutte traditionnelle, les Nigériens se rentrent dedans. Ou bien, par exemple, certaines crispations, certaines violences dans des arènes hautes là. C'est nouveau. C'est nouveau parce que les nouveaux ministres, les, nouveaux, les nouvelles équipes formées, parce que les équipes aussi, toujours, c'est des équipes ad hoc. Chaque ministre a son équipe. Voyez-vous Chaque, euh, cette année, on, renouvelle la fédération et c'est devenu des enjeux financiers. Puisque c'est des enjeux financiers, c'est des gens qui ne connaissent rien de la lutte traditionnelle, qui ne connaissent même pas le but authentique de la lutte traditionnelle, qui viennent rentrer pour des raisons pécuniaires. Et le plus souvent, ils contribuent très mal Hassan Boukar, vous avez quelque chose à ajouter rapidement Moi, j'aime bien c'est euh, un peu l'approche que Sidique a développée en rappelant qu'à l'origine, c'est quand même une activité traditionnelle. Mais en même temps, rendons-nous compte aujourd'hui qu'on fait quand même des, compétitions avec d'autres pays, avec d'autres communautés qui ne partagent pas nécessairement la dimension traditionnelle telle que nous on lui donne. Euh, on organise un championnat pour la CDAO, on organise avec d'autres pays. Et donc, du coup, nous nous mettons en compétition avec d'autres. En ce moment, même si nous voulons garder la dimension traditionnelle qui renvoie à nos valeurs, à nos coutumes, alors dès lors que on les met aussi à, un autre stade, à, une autre échelle, il faut bien aussi qu'on puisse euh, trouver des règles que nous partageons avec les autres pays parce qu'il nous faut une même grille de lecture si euh, comment est-ce qu'on lit, dans quelle mesure quelqu'un est tombé, etc. Et donc, il faut absolument des règles, mais aussi nous sommes dans un, dans un moment où les lutteurs veulent aussi vivre de ce, de ce qu'ils font. Il y a aussi cette possibilité. On le voit ailleurs. Et donc, pour moi, en même temps qu'on ne doit pas abandonner la dimension traditionnelle, qui, a aussi ses mérites, qui, qui renvoie à nos coups. Moi, j'aime bien euh, voir les lutteurs toujours avec leur gris-gris, avec ces danses, ces pas des danses Ça renvoie à quelque chose d'authentique. Mais en même temps, à mon avis, dans les réformes, il ne faut pas aussi être trop fermé à des réformes qui peuvent aussi permettre à la lutte de gagner en dynamisme. Vous avez quelque chose à ajouter, que, oui, ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, le fait de, vouloir moderniser la lutte a fait que l'engouement a un peu baissé. Parce qu'on voit que maintenant, aujourd'hui, avant qu'il y avait des combats de, de, lutte traditionnelle, pratiquement nous tous, on était collés à nos postes radio. Mais maintenant, euh, ce n'est plus le cas. Alors, comment faire pour que, maintenant qu'on a modernisé ce combat, comment faire en sorte que les gens puissent encore s'intéresser plus Je pense qu'il faut qu'on arrive à un système à la sénégalaise où il y a des écuries, où il y a, des vrais combats, vraiment des systèmes d'écuries qui sont vraiment pris en charge par certains opérateurs ou par certains groupes de, de vraiment que qu'on puisse vraiment le, faire en sorte que la lutte soit. Voilà, les privés puissent le gérer pour que ça soit encore plus compétitif. rapidement. Ajouter justement, en ce qui concerne la lutte traditionnelle, moi personnellement, je vois que le plus grand bénéfice de la lutte traditionnelle pour notre pays, qui est un pays quand même assez, assez composite, il faut le reconnaître, et tout notre effort aujourd'hui doit tendre vers comment cimenter l'unité nationale du Niger. C'est le plus grand bénéfice de la lutte traditionnelle. S'il y a vraiment, en tout cas, une dimension économique, c'est une dimension individuelle. Aujourd'hui, la lutte traditionnelle ne rapporte pas grand-chose au pays. Mais ça rapporte quand même, en termes d'unité nationale, c'est vraiment un élément fédérateur, c'est un élément unificateur. Donc c'est pourquoi, vraiment, à force de trop, vraiment, en tout cas, tendre vers l'extérieur, nous risquons vraiment, en tout cas, de laisser derrière, vraiment, en tout cas, cette dimension. Et voyez-vous, par exemple, le cas des États-Unis. Les, les États-Unis, aujourd'hui, ont leur propre football qu'on appelle le cricket. Le football, c'est américain. Aujourd'hui, ils sont contents, ils l'organisent euh, vraiment à l'intérieur de, la Fédération des États-Unis, ce sport. Mais quand ils partent à l'extérieur, ils ont toujours une équipe qui est formée juste pour aller participer vraiment à des compétitions extérieures, une équipe de football. Voyez-vous, nous, aujourd'hui, nous participons euh, aux luttes amateurs de la, de la CDAO. Mais nous pouvons former des lutteurs formés exclusivement pour participer vraiment à ces gens de combat avec le Sénégal. Voyez-vous, par exemple, prenez le Sénégal. Le Sénégal, par exemple, a une pratique de lutte traditionnelle qui ne ressemble pas à la nôtre le coup, par exemple, porté à l'adversaire. Nous, ici, on ne l'accepte pas. Voyez-vous Et là-bas, par exemple, ils disent que quand tu mets le genou à terre, tu n'es pas tombé. Voyez-vous Mais ici, aujourd'hui, chez nous, dès que tu mets le, genou à terre, tu es tombé. Donc, vraiment, c'est des variables qui ne sont pas trop vraiment conciliables souvent. À l'occasion du nouvel an, le président de la République, dans son adresse à la nation, a indiqué qu'au Niger, des progrès sont enregistrés et se poursuivront en 2019, notamment dans les secteurs des infrastructures, de la santé et de l'éducation. On écoute un extrait de son message diffusé sur Télé Sahel. Le gouvernement a poursuivi ses efforts en vue de protéger la scolarisation de la jeune fille. Il a engagé une vaste campagne de sensibilisation pour mettre fin au scandale des mariages et grossesses c'est le lieu de saluer et d'encourager les chefs traditionnels et religieux, ainsi que les partenaires, pour leur contribution décisive à cette campagne. Enfin, dans le secteur de l'éducation, le gouvernement s'attaque à un défi majeur, celui euh, de l'accroissement rapide de l'espérance de vie scolaire qui permettra d'accroître la durée de vie scolaire moyenne, facteur euh, responsable de la faiblesse de notre indice de développement humain. S'agissant de la santé, nous notons avec satisfaction l'amélioration de l'espérance de vie. Dans ce secteur, le gouvernement à continuer à mettre l'accent sur la prévention à travers le renforcement de la vaccination de routine, sur euh, l'approvisionnement en médicaments, sur la construction de centres de santé intégrés, de centres hospitaliers, dont l'hôpital de référence de Maradi et l'hôpital de l'amitié nigéro-turque. Hassan Boukar, à la différence de son adresse à la nation du 18 décembre, cette fois-ci, le président a parlé de l'éducation et de la santé. Pensez-vous que c'était d'abord une omission ou bien c'est dans, dans euh, sa stratégie de communication pour ne pas euh, tout dire d'un coup Je pense que c'est un choix. Il fait, il fait un choix dans, dans sa démarche. Il y a des choses qu'il a mises en avant euh, à la veille du 18 décembre. Il avait surtout rappelé euh, l'anniversaire, euh, euh, le 60e hein, anniversaire. Donc, il a mis l'accent sur les investissements qui ont été menés à Zander, sur ce qui représente cette fête, qui donne l'occasion aux villes d'avoir des infrastructures, etc., etc. Bon, là, il évoque les questions de l'éducation et de la santé, qui sont quand même deux questions majeures pour les citoyens nigériens. Donc, je pense qu'il a choisi de les évoquer maintenant. Là, il parlait de la question de la jeune fille, du temps qu'elle met dans les milieux scolaires. Je pense que c'est quand même euh, quelque chose euh, sur lequel il y a eu souvent des débats euh, dans notre pays, puisque au-delà du fait que dans les statistiques, on a moins de filles que de garçons, parce qu'il faut encore les relativiser à certains niveaux, à l'école. on pose par exemple la question de comment faire en sorte que les filles puissent rester beaucoup plus longtemps à l'école. Donc euh, le problème pour beaucoup d'experts aujourd'hui, ce n'est pas tant l'inscription. Il y a beaucoup de familles où on accepte au lieu d'inscrire, mais comment les garder longtemps dans le cursus. Euh, voilà, donc le président a relayé ses, discours sur la santé, évidemment. Euh, le rappel des infrastructures et donc comment comme l'hôpital de référence, euh, comment ça peut contribuer à la santé dans le pays. Moi, je ne crois pas que ce soit une omission, parce que normalement, les discours du président, c'est des choses qui sont réfléchies, par ses conscient en communication, il voit le contexte, euh, donc il fait un choix, et je pense que c'est un choix qui a été fait. Moi, je ne crois pas qu'il l'ait oublié. Boukar Sedikali, votre lecture de la chose au sujet de la déclaration du président de la République sur ces deux secteurs, la santé et l'éducation moi, je pense que, comme l'a dit Abba, ce n'est pas une omission. Vous savez, euh, les grands événements euh, nationaux euh, sont toujours collés ou bien liés, par exemple, à certaines thématiques. Au contexte. Au contexte. C'est-à-dire qu'au contexte, il y a certaines thématiques surtout. Par exemple, la question de l'éducation, la question de la santé, la question de la sécurité aujourd'hui sont des questions vitales. C'est des questions fondamentales qui nous rappellent notre existence en tant qu'État, même d'abord. Le 18 décembre, ça nous renvoie même à notre histoire existentielle en tant qu'État. C'est pourquoi le chef de l'État, à mon avis, a choisi aujourd'hui de faire un peu un brainstorming, c'est-à-dire une sorte vraiment de zooming sur ce que le Niger, vraiment, en tout cas, a pu réaliser en 60 ans. Voyez-vous, c'est pas seulement le bilan, le chef de l'État n'a jamais dit mon bilan en 7 ans ou en 8 ans, voilà ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'il a jeté un regard sur vraiment, en tout cas, ce que le Niger a fait en général et il a constaté qu'il y a un progrès. Et dans le progrès, il a donné, par exemple, des éléments euh, probants, tels que par exemple l'hôpital de référence de Maradi ou autre, là, là, il faut reconnaître quand même que c'est euh, c'est vraiment en tout cas des éléments très positifs. Moi, personnellement, je constate que sur le plan de l'éducation aujourd'hui, le débat est très vif, c'est vrai. Le débat est ouvert. Tous les acteurs sont en train de se prononcer là-dessus. Et vraiment, euh, c'est à tout honneur, vraiment, pour l'éducation nationale, parce que non seulement l'éducation représente quelque chose pour les gouvernants, mais aussi pour les citoyens nigériens et la société civile. C'est une très bonne chose que tout le monde parle de quelque chose. Et en cela, moi, je tire le chapeau au chef de l'État. Gary Amadou, entre le discours et toutes les grèves dans ces deux secteurs, que faut-il comprendre non, il faut comprendre qu'il y a des efforts qui sont faits, mais euh, le président n'a jamais dit que tous les problèmes ont été réglés. Il n'a jamais dit qu'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de secteur sans problème. Non, il dit qu'il met en avant euh, euh, les efforts qui ont été faits. Et vous savez, la particularité de ce discours, c'est que le président a dit que, en fait, une nation se construit de la durée avec le concours de toutes les générations. Chacun vient. C'est-à-dire que chaque régime qui a succédé dans ce pays-là a fait des choses et chacun vient, il fait. C'est-à-dire que c'est l'ensemble là qui fait la construction nationale, qui fait, en tout cas dans chaque secteur, les efforts qui sont en train d'être déployés par toutes les autorités qui se sont succédées et aussi celle-là. Donc il ne dit jamais que tous les problèmes sont réglés. Il dit que non, voilà les efforts qu'on est en train de faire dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la santé. Bien sûr, on ne peut pas dire que dans tous les pays du monde, c'est pas possible qu'on vous dise que non, non, tous les problèmes sont réglés. Ce n'est pas possible. Sinon, un pays, à quoi servent les autorités À quoi servent les, régimes À quoi servent les élections Donc c'est parce qu'il y a des problèmes. Un pays, je vous l'ai dit la semaine passée, c'est des problèmes, c'est des solutions. Les gens avaient dit, ah oui, oui, le président n'a pas parlé de l'éducation. Le président, même dans son discours du 18 décembre, il a parlé de l'éducation parce qu'il a parlé de la scolarisation de la jeune fille. Il a parlé aussi de la santé, il a parlé de beaucoup de domaines. Mais je vous ai dit que c'est un discours particulier, le 18 décembre, par la thématique. Et que la fin de l'année, même pour un être humain, c'est un moment où, il faut faire le bilan de l'année écoulée. Qu'est-ce que j'ai fait de bon Qu'est-ce que j'ai fait de mauvais Et donc, c'est ce, ce, discours-là qui sert de bilan où le président a, abordé pratiquement tous les secteurs la santé, l'éducation, le développement euh, économique, la sécurité. Pratiquement tout a été abordé. Donc, vraiment, je pense que c'est un discours bilan du chef de l'État. Et, et, maintenant, euh, reste à savoir ce que, en tout cas, les critiques ou les analystes vont en dire. Mais pour moi, c'est un discours qui est extrêmement positif vous avez quelque chose à ajouter Oui, surtout moi, la dimension qui me concerne encore, euh, euh, sur laquelle j'aimerais donner une opinion particulière, c'est surtout l'aspect sécuritaire. Le président a parlé aussi de la sécurité. Bah, vous, sur le plan secrétaire, aujourd'hui, ces derniers temps, euh, vous, moi, et tous les ministres. On va aborder, on va dans, euh, une, de, dans, dans, dans, une des parties de, de, de de ce forum. Euh, rapidement, oui, toujours, sur le discours, je pense que le président a globalement présenté quand même une image très positive de, de ce pays en rappelant le taux de croissance. Je crois qu'il avait parlé de 5,2% en 2018 et qu'il espère encore plus dans les années à venir c'est bien qu'on ait un taux de croissance. Mais ce qui me préoccupe quelquefois, c'est croissance pour qui en fait C'est des questions que je me pose. Euh, une des difficultés qu'on retrouve aujourd'hui dans les pays du Sud, où, contrairement à l'économie mondiale, on a un taux de croissance quand même qui, qui est beaucoup plus important aujourd'hui en Afrique et dans d'autres régions, cette croissance, elle est souvent mal répartie. Elle profite souvent à des cercles restreints, donc toute la communauté ne bénéficie pas des fruits de la croissance. Sinon, euh, je pense que qu'il y ait aujourd'hui un taux de croissance de 5%, c'est bien. Euh, globalement, quand on regarde à l'échelle mondiale aujourd'hui, il y a comme une sorte de, crise qui fait que les économies du Nord, qui pilotent souvent l'économie mondiale, euh, vivent des situations difficiles. C'est peut-être bien qu'il y ait des taux de ce type dans le Sud. Mais malheureusement, souvent, la croissance ne profite pas à tout le monde. Le président de la République a aussi parlé de certaines euh, poussées de fièvre observées en 2018. C'est le lieu, a-t-il déclaré, de féliciter le gouvernement et les partenaires sociaux pour la qualité du dialogue qu'ils ont entretenu tout au long de l'année 2018. On l'écoute. À ces occasions, j'ai pu noter que la plupart des manifestants favorables aux manifestations pacifiques dans le respect des lois on fait preuve de maturité politique, ne confondant pas démocratie, ce pouvoir du peuple qui s'exprime raisonnablement et avec responsabilité dans les urnes, avec oclocratie, cette forme dégradée de la démocratie, ce pouvoir de la foule qui s'exprime passionnément et aveuglement dans la rue, entraînant destruction et chaos. C'est le lieu de féliciter le gouvernement et les partenaires sociaux pour la qualité du dialogue qu'ils ont entretenu tout au long de l'année 2018. Je fonde l'espoir que ce dialogue sera renforcé en 2019. Gary Amadou, selon le président de la République, la plupart des manifestants favorables aux manifestations pacifiques, dans le respect des lois, ont fait preuve de maturité politique Comment faire pour maintenir cette dynamique Mais c'est très simple. Il faut avoir euh, d'abord un esprit républicain. C'est important, non seulement pour les acteurs de la société civile et pour tous les citoyens, d'avoir l'esprit républicain. L'esprit républicain, c'est quoi C'est le respect des biens publics, n'est-ce pas et, en tout cas, le respect euh, des, des, principes de loi. C'est-à-dire que euh, dans le cadre des manifestations, il y a des dispositions légales qui sont, qui sont en tout cas en vigueur. C'est-à-dire que la manifestation même si elle n'est pas autorisée, au moins elle doit se faire dans le calme, n'est-ce pas, sans acte de vandalisme. Parce que, effectivement, c'est ça que le président a rappelé, il y a deux types de manifestants. Il y a des manifestants qui veulent casser tout et qui sont passés à l'action en 2018, et il y a des manifestants responsables qui ont en tout cas l'esprit républicain euh, dans le cœur et dans l'esprit. Et c'est ce qui a fait que pratiquement toutes les dernières manifestations là, vers la fin de l'année qui sont déroulées, ce sont des manifestations calmes qui ont eu lieu. Je pense que les leçons ont été apprises parce que le bien public, il n'appartient pas à un régime, il appartient à l'État, il appartient à nous tous. Les régimes viennent, ils se succèdent. Le bien public, il appartient à tout le monde. Donc, on a intérêt lors de nos manifestations de colère, euh, en tout cas de chercher à les préserver. Et c'est ce que le président a dit. En réalité, dans son discours, on comprend bien qu'il il comprend la colère des manifestations, mais quand elles sont pacifiques, quand elles se font dans le respect des lois. Mais il n'est pas d'accord avec ceux qui veulent pas des actes de vandalisme, pas des actes de violence, et ceux d'imposer leur dictat ou d'imposer leur desiderata à des autorités. Ça, ça ne se fera pas. Et je pense que c'est ça qu'il est en train de rappeler. Il est quelque part en train d'encourager les, citoyens à garder l'esprit républicain chaque jour. C'est-à-dire que même dans cette année 2018, il y aura certainement des manifestations. C'est un appel que le président lance pour que les gens fassent des manifestations pacifiques. Ils ont le droit d'exprimer leur colère, je l'ai toujours dit, mais que ça, euh, que ça se fasse vraiment dans un ordre euh, de paix et dans le respect de la légalité. Boukar Sedikali, il y a un déphasage entre euh, les gouvernants et une partie de la société civile nigérienne. Comment œuvrer pour un réel développement et ancrage de la démocratie au Niger le chef de l'État, dans son discours, a parlé de la démocratie, il a parlé de l'anarchie. Donc, euh, ces deux mots, normalement, qui sont euh, vraiment, en tout cas, collés, c'est-à-dire qui sont vraiment, en tout cas, associés euh, quand, dans une démocratie, <clears throat> il y a trop de pression. Je parle de pression parce que la pression du côté du gouvernant. Parce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que depuis un certain moment, la pression est très forte sur la population, sur le plan économique, sur le plan social, de l'autre côté, il y a une insécurité qui est en train de se développer. oui, les gens sont vraiment, en tout cas, confrontés à une vie chère quand même qui est en train de faire pression. De l'autre côté, sur tous les plans, il y a une certaine pression qui est en train de s'exercer sur la population. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, eh, quand eh, le gouvernant, c'est-à-dire l'homme du pouvoir, essaie par exemple de eh, de, de d'évoluer dans le sens un peu d'accentuer cette pression, le plus souvent ça explose. C'est comme par exemple un ballon d'air. Vous l'appuyez trop, et quand vous appuyez trop, ça risque d'exploser. Donc c'est pourquoi le plus souvent, euh, pour ce gouvernement, euh, nous avons vraiment l'habitude de dire, non, il ne faut pas trop faire pression sur la population il y a la pression fiscale, vous le savez aujourd'hui avec cette vie chère. de l'autre côté, il y a euh, c'est-à-dire une population qui est quand même un peu lassée vraiment des conditions de vie qui sont difficiles. Et le chef de l'État a parlé de l'anarchie. Moi, en, parlant de l'anarchie, moi je dis c'est un peu plus de la responsabilité du gouvernement. qui crée l'anarchie c'est vrai, c'est la population. Euh, c'est de l'autre côté la société civile qui est vraiment l'intermédiaire entre le gouvernement et la population. Mais ça aussi, c'est la conséquence de la pression. Voyez-vous, il ne faut pas trop faire la pression sur la population. Il y a un ministre, par exemple, toujours qui refuse d'accorder, par exemple, le droit de marche. C'est la pression. Quand vous empêchez, par exemple, à une population non seulement de marcher, non seulement de faire des meetings, euh, par exemple, la, liberté, par exemple, de manifestation autre là, quand c'est occulté. Euh, Reconnu par la condition. La condition et même le droit international. Voyez-vous Et là, ça par fini, c'est-à-dire quand cette population, par exemple, atteint un niveau de colère extrêmement élevé, le plus souvent, ça finit par l'anarchie. Et maintenant, vous m'avez parlé de la société civile. Moi, personnellement, j'ai toujours dit que, en ce qui concerne la société civile, il faut se dire que euh, au Niger, on a un problème. On a un sérieux problème. Il y a d'un côté la population, d'un côté les gouvernants, mais entre la population et le gouvernement, il y a toujours une, vraiment, en tout cas, euh, une corporation, c'est-à-dire vraiment, en tout cas, des structures qui servent d'interface entre le gouvernement, c'est-à-dire d'intermédiaire. Et le plus souvent, ils ont un agenda à eux qui est très bien précis, qui n'est pas forcément l'agenda qui correspond aux vœux ou aux, aux de la population. Vous avez vu ces derniers temps, par exemple, pour la loi des finances à un moment donné, les mêmes sociétés civiles qui sortent dans la rue, qui disent qu'il faut manifester, aujourd'hui, ils ont baissé les bras. Parce que un, deux, trois individus ont été emprisonnés. Voyez-vous, la loi des finances est en train d'être appliquée à 100% aujourd'hui. Voyez-vous, et le problème, ce n'est pas que ça manque. Les problèmes sont là entiers. Mais aujourd'hui, ils ne sortent pas parce que quelque part, mais vous savez, euh, certaines personnes ne méritent même pas d'être appelées sociétés civiles. Vous le savez autant que moi. Hassan Boukar, quelle est votre lecture de cette partie du discours sur les manifestations publiques Merci beaucoup. Là, je pense que je partage un peu ce qu'ont dit mes prédécesseurs sur euh, le fait qu'il faut préserver les biens publics. On peut manifester, se faire entendre euh, par les pouvoirs publics sans nécessairement casser des feux tricolores ou des choses, euh, endommager des infrastructures dans la ville. Par contre, je ne crois pas qu'il y ait eu vraiment dialogue entre le gouvernement et ceux qui manifestent. Je pense que la position du gouvernement est de dire nous sommes suffisamment forts pour ne pas dialoguer ils l'ont dit sur tous les toits. Donc en réalité, contrairement à ce que dit le président, il n'y a pas eu de dialogue, pas seulement avec ceux qui manifestaient contre la loi des finances, mais aussi avec les syndicats qui ont manifesté. Regardez les contracteurs, les syndicats de l'éducation qui ont fait des sittings, qui ont manifesté. Euh, lorsqu'ils déposaient un mot d'ordre de grève, oh, ça finissait. Ça finissait devant les tribunaux. Le gouvernement demande aux tribunaux de déclarer illégal. Donc c'est aussi une autre façon de traiter ces, manifestants Donc je pense que globalement, le gouvernement a considéré, bon, presque de la part du président de la République aussi, euh, ses premières réactions sur ces mouvements étaient différentes de ce qu'il vient de dire aujourd'hui. Peut-être qu'avec le recul, il concède aux citoyens le droit de manifester et de dire qu'ils ne sont pas d'accord sur la politique gouvernementale. Par contre, il n'y a pas eu de négociation. La position est de dire nous sommes suffisamment forts pour ne pas négocier. Tout cela, moi, je le mets, si vous voulez, dans, euh, quelque part dans l'apprentissage de la démocratie. Euh, un peu partout, euh, là où la démocratie n'arrive pas à s'enraciner suffisamment, les pouvoirs ont horreur de tout ce qu'ils ne contrôlent pas. Ils veulent contrôler tout ce qui est dans l'espace public. Or, euh, par essence, la société civile, elle peut poser des actes qui soient à l'encontre des visées, des attentes des, des, des, acteurs politiques. Elle est dans son rôle. Dans les démocraties naissantes, ce rôle-là, simplement reconnaître que la société civile, les acteurs non étatiques sont aussi des acteurs de développement à leur niveau de responsabilité. Cette euh, vision, elle manque souvent. Et donc, on a toujours un pouvoir qui dit, aussi longtemps que je maîtrise le levier de la répression, eh bien, je serai le seul coq de la basse-cour. Je, ne veux pas entendre un discours contraire à ce que moi je veux. Et souvent, euh, on a des marches interdites, des choses simples qui aurait pu se passer normalement. Vous autorisez une marche, ça commence à hauteur, à midi, peut-être que c'est fini. Mais à force d'interdire, évidemment, comme l'a rappelé y à la pression qui monte, on oblige, en fermant toutes les portes légales, souvent on ne contrôle pas ce qui arrive. Et donc, pour moi, euh, il y a eu des manifestations et c'est des droits, vous l'avez rappelé, qui sont dans la Constitution. Mais je pense que la réaction qu'on a eue, on souhaite qu'il y ait des meilleures réactions à l'avenir. Mais par rapport à ce qui s'est passé en 2018, en particulier cette lutte contre les mesures fiscales de la loi des finances, la position du gouvernement est de dire nous sommes forts, on ne veut pas négocier. Et donc il n'y a pas eu de négociation, il n'y a pas eu de discussion. Le président parle de qualité, mais ça n'a pas existé une seconde, quelques, secondes, rapidement. Ce débat sur la société civile, moi je crois que cette société civile, elle, me laisse sur ma faim. Je, ne changerai pas de, position. Voyez-vous par exemple, cette société civile qu'on a vue quand même qui a vilipendé cette loi de finances 2018, actuellement il y a un bras de fer entre le Niger, l'État du Niger et une société de téléphonie mobile Orange. Mais où sont-ils ces acteurs de la société civile qui sont tués brillants sur les ondes des, médias Ils se sont tués. Hein? et certains ont tendance même à vouloir défendre Orange. Alors que tout simplement, quand on avait appliqué la TATI, ils ont dit Ah oui, on a fait des faveurs aux opérateurs, euh, aux sociétés étrangères. Aujourd'hui, on enlève la TATI et on, fait des redressements fiscaux à des compagnies étrangères. Ils sont silencieux, ils sont inexistants. On, on se demande s'ils sont dans le pays ou s'ils ne sont pas là. Sur euh, tout un autre plan, euh, des offensives euh, militaires sur différentes frontières du Niger ont permis le 27 décembre de neutraliser 15 terroristes à proximité de Tongo Tongo. Le 2 janvier, dans la région de Difa, plus de 200 terroristes de Boko Haram ont mis hors état de nuire dans l'état de Zamfara au Nigeria. Par contre, l'armée du Niger et celle du Nigeria ont perdu des hommes. Hassan Boukar, rapidement, des offensives apportent-elles un réconfort dans la région de Difa où les populations et les élus étaient le mois dernier encore dans l'expectative Je pense que <clears throat> euh, il, faut, plus que ça pour que les gens soient réconfortés dans la région de Difa. J'ai passé le week-end dans, cette région. Pour la petite histoire, le dimanche dans la matinée, on avait une activité à laquelle beaucoup de gens devaient participer à partir de 8 h Certains n'ont pu nous joindre qu'à 8h30 et d'autres à 9h parce que l'armée avait bouclé un deux quartiers de la ville. Je pense que soupçonnaient des infiltrations des éléments de Boko Haram. donc, alors, pour les gens, ça, ça rajoute à la psychose. Et j'ai cru comprendre que dans certains villages, euh, nord de la Komadougou, il y a des gens qui ont peur de passer la nuit chez eux. Ils passent la nuit hors du village avant de regagner le village le matin. Donc ça veut dire que la psychose, elle est très forte. Et c'est quelque chose qu'ils vivent depuis 3-4 ans aujourd'hui les gens qui ont approché la terreur, qui ont vu leurs parents enlever leurs parents tués. Je pense qu'il faut beaucoup plus que ça pour les rassurer. Et pendant cette période, <clears throat> parce que les, euh, à bon, la proximité avec le Nigeria fait que les gens suivent avec beaucoup d'attention ce qui se passe aussi de l'autre côté de la frontière. À l'époque, l'information majeure, c'était que Baga est tombé entre les mains de Boko Haram. Pour les gens de la région qui connaissent Baga, ce n'est pas n'importe quel camp militaire. C'est quand même un grand camp militaire, c'est un poste reculé aux, abords de la Et donc, si Baga chute pour les gens, ça veut dire que la plupart de cette zone, de ces villages frontaliers de la Komadou qui sont de l'autre côté, pour ceux qui connaissent justement cette zone, pour eux, l'ennemi s'approche. Et donc, oui, peut-être que cette réaction de l'armée, le fait qu'il y ait le contact euh, avec Boko Haram, euh, etc., peut-être que bon, ça peut faire son effet. Mais pour moi, euh, tout de suite, euh, l'effet attendu, euh, ça n'arrivera pas. Il faut beaucoup plus que ça pour rassurer les gens. Boukar Sedikali, euh, vous qui dirigez un réseau de journalistes sur, ces aspects, pensez-vous que la va revenir dans la région du lac Tchad avec les offensives des armées de la zone Moi, je pense que parler de la ce serait quand même très vite, vraiment, en tout cas, c'est un pis-aller, il ne faut, pas aller trop vite. Euh, parce que euh, euh, dans la région de Difa, où moi-même j'étais là la semaine passée d'ailleurs, la situation est très grave. Non, non seulement sur le plan sécuritaire, mais aussi sur le plan alimentaire et nutritionnel. Nous avons vraiment une situation vraiment qui est catastrophique. sur le plan aussi même de la confiance des rapports interpersonnels entre les humains eux-mêmes, c'est-à-dire qu'il y a une crise vraiment particulière, sans précédent. il y a aussi il y a un climat de suspicion, il y a aussi un sérieux problème, et surtout c'est cela même qui peut contribuer aujourd'hui à vraiment, en tout cas, à favoriser les actions subversives de Boko Haram. Il y a un problème de confiance entre les gouvernants et les gouvernés. Voyez-vous, c'est ça le problème. Vous avez parlé, par exemple, tout à l'heure, Boko a parlé de, euh, quartiers bouclés. On a comme l'impression que, euh, c'est-à-dire, il y a c'est une sorte de, de, de retro, euh, c'est-à-dire, toutes les actions l'essentiel des actions ne sont pas orientées vers, c'est-à-dire que le théâtre où l'ennemi se trouve. Mais il y a une certaine pression, c'est-à-dire vraiment, en tout cas, il y a une certaine pression sur la population civile elle-même. Parce qu'on a mis en avant plus de considérations telles que la complicité, telles que par exemple ceci, cela, en oubliant que cette même population qu'on accuse d'être vraiment en tout cas complice ou qui est censée informer tel ou tel autre, c'est cette même population qui doit normalement cautionner l'armée, accepter l'armée c'est-à-dire, euh, vraiment, en tout cas, pour qu'elle puisse participer activement, par exemple, à l'informer et à l'orienter. Mais aujourd'hui, on a comme l'impression qu'il y a une rupture totale par exemple, entre la population et certains gouvernants aujourd'hui, par exemple, dont la composante armée qui est l'armée. Donc, la fois dernière, j'ai échangé avec des gens, j'ai dit non, cette façon de faire n'est pas une bonne chose. On sait qu'au sein de la population, souvent, il y a des brebis galeuses, il y a des individus, par exemple, malins, qui sont vraiment, en tout cas, enclins à s'enrichir facilement, qui peuvent vraiment, en tout cas, accepter les offres de Boko Haram, ou bien, par exemple, par sympathie, qui peuvent vraiment, en tout cas, participer vraiment à informer Boko Haram. Mais ce n'est pas tout le monde. L'essentiel de la population aujourd'hui avec la nation, voyez-vous, qui aujourd'hui préfère brûler sa maison, mais il n'y a pas une autre maison à soi. Donc c'est pourquoi euh, il faut quand même apprécier souvent, malgré tout, positivement, par exemple, cette, euh, ce réveil quand même des armées, voyez-vous, qui rentre dans une dynamique aussi régionale, qui n'est pas seulement une dynamique nationale. Voyez-vous, il faut reconnaître qu'aujourd'hui, il y a, euh, depuis la rencontre des chefs d'État qui a eu lieu récemment à N'Djamena, il y a une sorte vraiment, en tout cas, de déclic qui a été créé parce que au début, ce qui crée trop de problèmes, c'est quoi C'est comment fédérer l'ensemble de ces armées et faire en sorte qu'elles évoluent de façon simultanée. Ça a toujours causé des problèmes parce que les enjeux ne sont pas les mêmes, les intérêts ne sont pas les mêmes. et aujourd'hui, on a comme l'impression que ces armées-là sont en train vraiment, en tout cas, de, euh, de voler dans le même sens. Gary Amadou, pensez-vous que l'interpellation du ministre de la Défense lors de la euh, dernière session du Parlement est pour quelque chose dans ces offensives de l'armée Rapidement. Ces, offensives sont très préparées. Vous savez, euh, euh, je pense qu'il y a une concomitance entre ces offensives-là et la tentative de libération des otages. Vous avez vu aujourd'hui, l'armée est dans une posture où, avant, on ne bombardait pas les zones marécageuses. Aujourd'hui, l'armée a décidé que tout simplement, pour mettre fin à Boko Haram, il faut bombarder les zones marécageuses. Là où Boko Haram se terre, il faut bombarder. Et c'est ça qui a donné ce bilan-là. En réalité, il se cache là-bas. Concernant maintenant le fait que l'armée a bouclé des quartiers, vous savez, l'armée est là pour sécuriser la population. Des fois, il y a eu des attentats. Il y a eu des attentats parfois dans des écoles coraniques commis par des éléments de Boko Haram. Alors, si l'armée boucle un quartier, ce n'est pas parce que c'est parce que l'armée veut protéger la population, c'est parce que l'armée veut empêcher à ceux qui veulent venir commettre des attentats qu'ils ne puissent pas commettre des attentats. Il faut que les gens le comprennent. On est en train de faire en sorte que on considère l'armée comme dans une zone ennemie. L'état d'urgence, l'armée est en train de payer des, prix forts. Beaucoup de militaires sont morts à Difa pour défendre la population nigérienne, pour défendre la population de Difa. Il faut qu'on cesse de faire en sorte qu'on considère les militaires comme en belligérance avec la population. Ce sont ceux qui sont en train de mourir sur le champ de bataille. Et ils sont là, quand on, met, on installe l'état d'urgence, c'est pour le bénéfice de la population. Quand on boucle des quartiers, c'est pour empêcher à ce qu'il y ait des attentats. Il faut quand même que les gens le comprennent. Voilà, nous sommes au terme de ce forum de Studio Kalangou. Merci à nos invités, Hassan Boukar de la radio alternative, Boukar Sedikali, journaliste et analyste politique, et Garé Amadou du quotidien La Nation. Merci aussi à tous les auditeurs pour votre fidélité au programme de Studio Kalangou. Rendez-vous samedi et dimanche de 17h15 avec Maman Ada et pour le forum en et Balki Samidou pour le forum Anzarma. Zarma. Merci, au revoir.